on n'a jamais été impliqué dans ce processus-là. Donc, à notre grande surprise, il a fallu quelques temps après. Moi, c'est à travers ce concert-là que j'ai su que le préfet avait envoyé un, arrêté. Donc, une chose que nous, nous déplorons. Mais on n'a pas cette force pour pouvoir combattre l'autorité. Nous, ne pouvons faire qu'une seule chose, c'est solliciter la clémence de ces autorités-là. Parce qu'aujourd'hui, on nous a plus au dépourvu. on n'est pas préparé à partir. La seule chose qui puisse nous faire, comment pouvez-vous indemniser des propriétaires alors que les résidents eux-mêmes sont des locataires. Vous prenez six mois de et que vous remettez en, bailleur au détriment du locataire. C'est lui laisser un rate. C'est lui qui sera dans la rue et non le propriétaire. Donc nous, tout ce que nous, tout ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que l'État essaie de revoir sa position en nous impliquant dans ce processus de départ-là. Nous ne refusons pas de partir. Nous sommes de tout cœur avec eux concernant le départ mais qui nous permettent quand même de nous mettre dans les conditions de pouvoir quitter ces lieux le plus rapidement possible parce que ça va de notre sécurité. Sur la plupart de ces immeubles, les 98% ce sont des locataires et non des propriétaires. Les propriétaires ne logent pas ici. Aujourd'hui, si on doit nous déguerpir, c'est nous autres qui, allons nous retrouver dans la rue. Et non ces propriétaires-là, ils sont, ils sont tarés chez eux. Quelqu'un qui n'habite pas les lieux, vous lui remettez six mois de loyer. Vous pensez qu'il va prendre ces six mois pour remettre ça à son, locataire Il ne le fera jamais. Mais je pense qu'il fallait discuter avec ce locataire qui est, sur place, lui faire comprendre que c'est dans votre intérêt qu'on vous remet les six mois pour que vous allez chercher ailleurs parce que c'est pour votre sécurité. Mais ça, si vous le dites à quelqu'un, il est prêt à prendre ses bagages et à se préparer à partir. Ce n'est pas compliqué. Donc, il y a des collègues qui sont là, ils ont fait 25 ans. Nous ñi 15 ans nous ñi 12 ans donc euh, ñun lu ñaan rek ñun ay locataires rek lañ dañu bëgg aussi dañuy lancer appel au président de la République au ministère du tutelle Nous xool ñun naka lañ ñu mën accompagner suñ ñu joxul benn mesure d'accompagnement au moins nous avons may ñu temps parce que nous on n'était pas au courant de tous ces événements là au mois d'août nous ñuy soog arrêté bi du préfet donc mais préfet bi aussi dañ koy ñaan jaboot la comme ñëpp nous sommes sax le ministre la ministère du tutelle pour nous, les locataires nous sensibilisés, nous a sensibiliser xam ñaata lañu en ñu de nous tant de mois au moins ñun dinañ préparé dajale tuuti pour nous parce que la location de Dakar est trop chère, tu ne peux pas avoir un appartement moins de 250 000 200 000 ou bien 150 000 avec nos salaires là on peut pas peux pas le faire donc nous, devons ñu bëgg ñu may parce qu'il y a des immeubles qui ne sont pas menacés par exemple dans notre immeuble et immeuble B là où, nous sommes donc nous, loolu rek la ñu bëgg ñu may locataires lañ propriétaires tey bu ba metti ñun ci ñun parce que nous ñun ñoo fi yeewoo soo suñu immeuble y a y a 28 appartements il y a 4 ou 5 propriétaires qui sont là-bas donc le reste des locataires donc ils n'ont qu'à nous aider peut-être nous jàppale ñu ñun ñu mën a jël suñu distance parce que comme nee nañ gars yi maye nañ kat ni dootuñu fay man waxaguñ ma loolu mais am na ñoo xam ne seeni propriétaire nee nañ leen ñu arrêté paiement bi donc le temps que nag ces cinq mois là bu ñu fa toogee cinq à 6 mois ñu dajaloo donc comme ça ñu dajale li ñu mën a am ñu dem uti feneen mais bëgg ñëw duñu brutaliser ni brutaliser xalé yi xalé yi dañuy romb ben policier wa buy ñëw sax xalé yi daw donc xale yooyu dañu leen stressé du dëgg nañ ñu may ñu dal quoi parce que itam on peut pas faire sortir quatre cent cinquante euh, kii euh, locataires en un seul coup c'est impossible donc nañ ñu jàppale ñu dimbali ñu am lu ñu defal ñu jeex waaw loolu rek lañ bëgg.